vendredi 4 février 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au rendez-vous de ce vendredi, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève avec des confrères des médias de Niamey. Aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler de la situation des 200 orpailleurs euh, du site de Diado à Agadez, victimes euh, le 29 janvier dernier dans le nord d'Agadez d'une attaque par des individus armés non identifiés. Leur convoi transportait 122 kg d'or. Ensuite, euh, il sera question du rapport de l'ONG Transparency International sur l'indice de perception 2021 de la corruption, publié le 25 janvier dernier. Le Niger a reculé d'un point par rapport à l'année dernière. Pour terminer, nous parlerons de la hausse du prix de la baguette de pain qui passe à 200 francs CFA au guichet et 225 francs CFA à la livraison depuis le 1er février 2022. Pour débattre de ces sujets, nous recevons dans ce studio M. Sidik Ousmane Doumbia, il est journaliste indépendant. Bonsoir Sidik. Bonsoir. M. Euh, Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et M. Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, c'est Nafis Adam Sirfo. Bonsoir à tous et bienvenue. Le samedi 29 janvier, les éléments de la garde nationale d'Agadez escortant des véhicules à leur bord 122 kg d'or pour une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA ont été l'objet d'une attaque armée par des individus armés non identifiés à 400 km au nord d'Agadez. L'or provient du site de Diado et appartient à plus de 200 orpailleurs. Yahya Hamza, un des orpailleurs, explique au micro d'Anissé Karim. On l'écoute. Effectivement, nous sommes dans une grande situation nous ne comprenons pas. Nous sommes des artisans de l'or. Nous avons une organisation. Ils ont trouvé un consensus entre eux et les autorités, ceux qui ont l'habitude de nous amener de l'or. On les paye pour le transport de nos marchandises. Ils quittent de Diado à Agadez. À notre grande surprise, le samedi, environ de 18h, par fuite, on a entendu que le convoi a été attaqué. On s'est précipité, à aller voir notre président. Président, vous êtes au courant de ce qui s'est passé Il nous a dit non. L'opération a été effectuée aux environs de 10 heures de ce même samedi. Notre or c'est 122 kilos, sa valeur 3 milliards 600 millions. C'est inadmissible. C'est étonnant, on attend des réponses. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu encore d'informations sur le colis. Mais l'État est là, c'est lui notre garant, on compte sur lui. Nous sommes au gouvernorat ici pour que la justice soit faite. C'était là donc euh, le témoignage d'un des orpailleurs qui ont été victimes d'une attaque euh, le samedi dernier. Euh, ils transportaient, leur convoi transportait environ 122 kg d'or. Je commence par vous, Ousmane Sidikou Doumbia. comment expliquer cette nouvelle attaque dans la zone d'Agadez, une nouvelle attaque des orpailleurs merci. à entendre les propos de ce torpailleur-là, on sonne non seulement l'amertume, mais en même temps une lueur d'espoir, laquelle, lequel espoir repose à, l'entendre parler sur les autorités. Donc euh, ces dernières se doivent honnêtement parlant de mener toutes les investigations possibles pour situer les responsabilités et traquer ces trafiquants jusqu'à dans leur dernier recensement parce que c'est inadmissible des mm-hmm, gens mm-hmm. qui, au péril de leur vie, euh, il a si bien dit, euh, là où l'affaire semble un peu euh, mystérieuse que leur président n'ait pas l'information. Il aurait fallu qu'il l'informe. Au moins, des gens, il l'a si bien dit, il mm-hmm. paie. Il paie. Donc, on leur devait au moins le feedback. Mm-hmm, mm-hmm. Mais l'un de l'autre, ça, c'est du côté des autorités. Imaginez la suspicion au, niveau de ce site-là. Donc moi, je pense que c'est un problème qui se doit d'être sérieusement à, euh, euh, pris à bras le corps pour trouver des solutions. Parce que honnêtement mhm. parlant, euh, imaginez au fil des jours, s'ils n'arrivent pas vraiment à, à avoir vraiment des éléments assez mhm, soutenus mhm. Euh, de celle' ci ce qui pourrait advenir, on ne le souhaite pas. Donc d'ici là, vivement que les autorités s'activent, euh, qu'on dise que euh, on les attaque et que ces bandits-là se soient volatilisés. Vraiment, il y a matière à se poser il mhm. mille et une questions. Justement, ces orpailleurs, vu la situation, ils étaient même en sit-in au gouvernorat d'Agadez. Le gouverneur a, indiqué avoir instruit la gendarmerie et saisi la justice pour retrouver l'or. Euh, Ousseini, qu'en pensez-vous vraiment de cette situation D'abord, euh, le site de Gado, à ma connaissance, c'est un site qui a été fermé, non Je ne sais pas. Le travail, que... leur paillage continue. Oui, mais bien évidemment, c'était leur paillage, c'était n'était pas une exploitation industrielle, c'était leur paillage. un temps, on avait décidé de fermer. Mhm. Je ne sais pas étrangement comment on peut laisser encore des gens venir exploiter clandestinement et que, bon, d'après les explications fournies par le président, c'est mhm. comme s'ils étaient escortés. Oui, ils étaient escortés par euh, la garde. Alors, des gens sont sortis comme ça en plein désert pour venir intercepter le convoi et puis prendre l'or et tout. Et c'est une énième attaque comme ça, c'est une énième attaque. Oui, mais le problème, c'est qu'il aurait fallu avoir des affrontements, au moins des tirs, parce que des mhm. gens mhm. qui ont été payés pour assurer le ne peut pas quand même se retrouver dans une posture sans qu'on dise que bon, il y, a, eu des, affrontements, il y a eu des échanges de tirs mhm. et qu'il y a eu des morts. C'est à ce moment on peut comprendre que, par exemple, les agresseurs sont venus, ils ont eu le dessus, ils ont, tué tout ce qu'il y a comme élément de ils ont pris l'or, ils ont. Mais qu'on dise comme ça, là, ça dit comme. Facilement. pas moi. Aucun accrochage. accrochage, rien du tout. Simplement, des gens disparaissent avec une telle quantité d'or. Ah Donc, selon vous, il y a Anguille 100, 122 kilos mhm, d'or. Mhm. Euh, presque 4 milliards. Hein. Ça, mhm. ça, pose problème. Il y a Anguille, c'est même pas Anguille sur roche, c'est Caïman sur roche. <laughs> non, c'est pas possible. mais les autorités régionales disent avoir saisi la gendarmerie. oui, euh, mais le problème, c'est que. Mais qui a assuré l'escorte c'est la garde nationale. Ce pas des éléments de la garde nationale. c'est pas des éléments de poc de tenue. Mais alors, Comment cela pourrait-il être possible Comme ça. Comme ça. Parce que tout simplement, ces gens, ils ont la magie. Ils ont anesthésié tout le monde. Ils ont pris l'or, ils se sont volatilisés. Mm, mm, mm. Il n'y a pas eu un seul coup de feu. Ça pose sérieusement problème. 122 kilos de rien. Presque 4 hein. milliards. Alors, hein, c'est tentant. Gare Amadou, vous soutenez les avis de vos prédécesseurs, cette attaque oui, bien sûr, mais moi, je m'interroge par rapport à, au processus du transport de l'or. Oui, Parce que quand on suit le représentant du syndicat, j'ai comme l'impression qu'il confie l'or à la garde et il y a quelqu'un qui réceptionne de l'autre côté. Voilà, Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans le convoi. Mhm, Ça, mhm. c'est déjà une première anomalie. Je ne peux pas euh, confier une, chose aussi importante et que je n'ai pas. et que je n'ai pas des gens dans le convoi avec la garde nationale. Mais quand même, c'est déjà une faille. C'est déjà une faille au niveau même des orpailleurs. Quand vous, quand vous, vous, confiez l'or, même si vous payez la garde nationale, et eh bien vous mettez deux ou trois personnes dans le convoi pour suivre jusqu'à destination. Ils pensaient peut-être que c'était sécurisé. deuxième chose, effectivement, aussi a raison. Et, le site de Diado est censé être fermé. Parce que souvenez-vous, rien qu'à Issa la semaine passée, il y un site qui est, mhm. censé être fermé s'est effondré parce que la nuit, il y avait gens... leur clandestin mhm. avec, selon certaines informations, la complicité de certains militaires mhm. qui sont chargés de garder le site. Mhm. Donc, si le site de Diallo fonctionne, eh bien, il faudrait informer les gens. Parce que, effectivement, comme l'a dit Ousseini, jusqu'à preuve du contraire, il est fermé. Alors, ça veut dire qu'il y a un orpage clandestin qui se passe. Et si la garde même euh, les, les, escortés, c'est que les autorités régionales sont au courant même de cet orpage clandestin. Oui, c'est ce que, ça, ce que ça, ça veut dire. Donc, l'enquête de la gendarmerie va permettre quand même de, euh, en tout cas, de, beaucoup de, oui, oui, de soulever euh, parce euh. qu'il y a effectivement qu'on a dit au CNIC, c'est très louche. Mais parce que bon, jusqu'à présent, on n'a même pas un communiqué qui nous explique ce qui s'est passé. On ne peut pas venir prendre 120 kilos d'or sans que les gens ne se défendent. Mhm, mhm. Ce n'est pas possible. Mhm. Moi, j'aurais voulu qu'on dise que bon, voilà un véhicule, voilà un des véhicules criblés de balles que les terroristes. Mais juste on vous arrête et puis, oh, non, non, ah, bon, écoutez, écoutez, donnez-nous l'or, et puis, oh, Bon, et puis tout le monde se. Tout le monde sait, sauf on revient au Birkaï, on nous a volé l'or. Même une Non, non, non. C'est-à-dire que ça, là, eh, c'est pas, Il faudrait, il faudrait une meilleure communication. Mhm. Il faudrait d'abord que les européens s'organisent, mais il faudrait aussi qu'il y ait un communiqué officiel qui explique ce qui s'est passé, mhm. preuve à l'appui. Parce que les européens, là, tout simplement, venir leur dire, ah, l'or a disparu, ça, ça ne va pas les mhm, convaincre. Ça, là, ça va pas les convaincre. C'est au péril de leur vie. Et apparemment, travail, Et apparemment comme l'a dit Hussein, il n'y a pas eu d'accrochage. Il n'y a pas eu d'échange de tir. J'ai comme l'impression que du point A au point B, on doit transporter l'or du point A au point B. Hum, hum, hum. Mais entre le point A et le point B, au milieu, il y a quelqu'un qui a réceptionné sans problème. Et puis hop, les gens sont, revenus. donc... franchement, comme l'a dit Ousseini, c'est très louche. Et cette affaire d'orpaillage, quand tout celui qui parle à Gadez sait que c'est un, commerce assez florissant. Il y a beaucoup de, personnes qui sont impliquées dedans. Et quand on voit l'ampleur du sitting, ce qu'il il, il, est du devoir de l'État de faire la lumière sur cette affaire-là. Mm, mm, mm. Parce que j'ai suivi une partie du commentaire du, de monsieur un moment où il dit que on les a appelés à un moment, on leur a dit que on a retrouvé l'or. Oui, oui. Et puis après, oui, ça c'est dans un autre reportage Et après, on leur a dit encore, on n'a pas retrouvé l'or. Donc, lumière doit être faite vraiment oh, sur cette situation. Euh, du coup, pour terminer, pour clore ce sujet, ces orpailleurs, on sait que c'est au péril de leur vie qu'ils font ce travail. Malgré toute cette situation, selon vous, qu'est-ce que l'État vraiment doit faire, malgré que c'est clandestinement, pour vraiment les protéger Bon, comme vous parlez de clandestinement, maintenant à l'État peut-être de revoir sa copie, de revenir sur l'interdiction ou bien de prendre toutes les dispositions mm, mm, qui mm. s'imposent. Soit le site est fermé, personne ne travaille, soit le site est ouvert et on permet aux orpailleurs euh, d'exercer leur euh, métier. Mais je ne peux pas comprendre un site fermé mm-hmm. et que des gens en catimini, ou même si ce n'est pas en catimini, à partir du moment où ils se font escorter par euh, la garde nationale, puissent extraire une telle quantité et qu'on s'en prenne à d'un point A à un point B à cette quantité et que jusque-là, aucune communication assez fluide, nette. Moi, je pense que, comme dirait l'autre, bas à terre, mhm. il faudrait que les responsabilités, toutes les responsabilités soient situées. Mhm. Oui, Je voulais dire, en fait, euh, cette affaire-là, pourquoi l'enquête de la gendarmerie est importante Parce que même entre les orpailleurs, il se peut qu'il y ait, si c'est des complices. Des suspicions. Ah oui, et donc euh, cette enquête de la gendarmerie va nous permettre de, comprendre ce qui s'est passé, parce que mhm. tout est possible. Vous pouvez être en groupe, et puis euh, euh, voilà, moi je, hein. voilà pour dire que voilà, il y a parce qu'apparemment ils étaient informés. Ça déjà c'est une première fois, ah, ils étaient informés du déplacement du, Donc et puis intercepter et puis prendre comme ça, moi j'aurai la plus grosse malgré que je sois dans le syndicat. Mhm. Est-ce qu'on tout tout est possible Et il se peut aussi qu'il n'y a même pas eu d'attaque. Mhm. Effectivement, tout est, possible, oui, Ousseini. Oui, mais rapidement, je vais dire. Mhm. D'abord, quelles mesures le gouvernement va prendre ah, la mesure on a fermé le site. Et il continue. <laughs> Mais comment des gens peuvent aller ah et ils vont faire recours à la garde nationale pour l'escorter mhm. Ça veut dire qu'il y a un problème. Déjà, ou c'est fermé, ou c'est pas fermé. Donc l'État doit prendre ses responsabilités. Soit c'est fermé. doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire que c'est peut-être des gens qui sont protégés, qui mhm. peuvent aller faire leur péage comme ça, pendant qu'on a interdit à beaucoup d'autres personnes de, s'en aller. Mhm. Moi, je dis quelque part, il ne faut pas prendre les gens pour, pour des, machins, des, des, des niais. Les gens comprennent un peu. Mhm. On ne peut pas, c'est comme tout à l'heure, Gary vient de le dire ici dans Issa, mhm. où on dit à 21 seulement, il y a 5 personnes, effondrement mhm. des gens. Mais alors, quand on ferme, c'est qu'il y a des éléments qui surveillent les lieux. le site. Mais comment des gens peuvent venir, même notamment s'il n'y a pas de complicité Comment des gens peuvent venir doit travailler prendre ses responsabilités. tout simplement. Mais ça veut dire que chacun trouve son compte. Chacun trouve son compte. Il y en a qui s'enrichissent là-bas parce qu'ils sont là pour surveiller les orpailleurs clandestins. À des degrés divers. parce, que, quand on, dit que 120 kilos, ça fait 4 milliards, imagine le, nombre de personnes que ça peut engraisser. Et donc, il y a des gens qui sont tentés de fermer les yeux, <laughs> malgré le fait que c'est interdit. La chaîne est assez huilée. Voilà, <laughs> euh, <laughs> on espère donc euh, que l'État prendra toutes ses responsabilités dans cette situation d'orpaillage dans la zone d'Agadez. Autre point donc de ce forum, l'indice de perception de la corruption Corruption édition 2021 a été rendu public le 25 janvier par l'ONG Transparency International, un rapport qui classe les États les plus corrompus du monde entier en accordant des notes sur 100 points. Le Niger a reculé d'un point par rapport à l'année dernière, une note de 31 sur 100. Quelle réaction, Gary Amadou Oui, mais enfin, euh, si, si le, j'ai pas compris le classement, c'est-à-dire que le classement, le Niger a, a, fait des progrès ou le Niger a... Il a reculé donc. Il a reculé, ça veut dire qu'il y a encore plus de corruption. Oui, ça veut dire que ces classements-là, je l'ai toujours dit lors de mes débats. Euh, vous avez le classement de Reporters sans frontières, le classement de Transparence internationale, tous les classements, il faut les prendre avec sérieux. Mhm. Il ne s'agit pas de venir euh, dénigrer le travail fait par des institutions, non. Parce que c'est déjà un signal, quand on vous dit que vous avez reculé, ça veut dire qu'il y a des efforts à faire. Mm. Et effectivement. Et aussi chercher à savoir qu'est-ce y a oui, mais, Il y a beaucoup d'attentes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Mm, mm, il y a l'affaire du ministère de la Défense. Vous savez, il y a beaucoup d'attentes concernant l'affaire du ministère de la Défense. Et pour le moment, on peut dire que eh, la majorité des citoyens. Bon, je m'avance parce que je n'ai pas fait de sondage, mais en tout cas, tous ceux avec qui on discute restent sur leur faim par rapport au développement ou au donnement de cette affaire-là. Donc, et il y a des signaux à donner, il y a des efforts à faire par le gouvernement pour faire en sorte que le Niger puisse sortir de ce rang point enviable, n'est-ce pas Qu'on dise que c'est l'un des pays les plus corrompus du monde. Ce mhm. n'est C'est pas très joli. C'est vrai. C'est vrai que le Niger dévance d'autres pays, n'est-ce pas mais nous, ce qui nous concerne, c'est notre situation qui nous, interpelle. Donc, il y a des efforts à faire dans le domaine de la bonne gouvernance, dans le domaine de la lutte contre l'impunité, pour faire en sorte que vraiment le Niger puisse euh, cette fois-ci sortir de ce Mais vous, selon vous, quels sont vraiment les facteurs qui font que la corruption gagne toujours du terrain ici Vous savez, au Niger, là, la corruption est devenue pratiquement banale. Et quand je dis banale, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que eh, même pour partir déposer un dossier, c'est-à-dire que si vous ne glissez pas quelque chose, il ne peut pas passer. On ne vous regarde pas. Il y a des bureaux, quand vous rentrez dedans, bon, si vous quelqu'un a dit gestez, si vous ne gestez pas, n'est-ce pas on ne s'occupe pas de vous. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est devenu une chose aussi banale. On appelle ça, oui, la cola. On dit non, non, voilà pour la cola. C'est-à-dire c'est nous-mêmes qui participons. Mm-hmm. vous venez vous confier quelque, quelque chose à quelqu'un, c'est son travail, on dit non, non, voilà pour, faire la, pour, la cola. Mais les citoyens, souvent, ils disent qu'ils sont obligés d'adhérer. pour que... Non, ils sont, mais il y a une corruption et, contre laquelle l'État semble impuissant au mhm. sein de l'administration. Je vous assure, au sein de l'administration, il y a une corruption qui ne dit pas son nom. Mhm. Si vous voulez avoir quelque chose euh, euh, euh, légalement, il faut que vous payiez de l'argent. Et on est arrivé à un point où pratiquement tout est tellement pourri que même pour accéder à certains postes de concours, les gens sont obligés de débourser de l'argent. C'est devenu une pratique. Mhm. Et les concours ne reflètent plus les résultats des concours ne reflètent plus la compétence à l'égalité des candidats. Et donc, ce sont des situations, et chaque fois que vous voyez des gens qui se plaignent, ce concours a annulé, même ces situations, le concours de douane qui a annulé, celui-là est annulé, celui-là est, reconnu, etc., etc., cette pagaille-là. Mais ça ne permet pas d'avoir en tout cas une bonne image en matière de, bonne gouvernance. Mm-hmm. Donc il y a un travail à faire, non seulement par l'État, pour contrôler cette, cette, euh, cette, corruption passive. Mm-hmm. On vous dit à des bureaux, ou quand vous amenez pour une signature, la signature. Hein. donner quelque chose. Non, frais de signature. <laughs> Mais depuis quand C'est quoi frais de signature ça, existe où Comment elle peut m'expliquer Moi, je peux comprendre le timbre qu'on met, le timbre de 200, mm-hmm. puisque ça a été euh, officialisé. Mm-hmm. Mais frais de signature Frais de signature. Et puis, comme ça, les gens. Et ça continue. au fait. Apparemment, ceux qui le font, ils se sentent intouchables. Mm-hmm. Et ça continue. Et les, les, citoyens, le citoyen lambda est en train de souffrir à cause de ça. Beaucoup reste à faire. Donc, euh, Sidi Kousman, comment expliquer cette situation si on sait que même on a une institution qui lutte aussi contre cette corruption-là, Halcia Comment expliquer vraiment cette, que eh, la corruption progresse ici au niveau L'explication, elle est toute simple hein, eh, pour moi. À l'instant, Gary en a parlé eh, de celle qui se passe euh, au niveau de l'administration. moi, je pense que euh, il faut attaquer euh, le mal à la racine. Il faut bien dire, il faut tuer le servant à travers la tête. Aujourd'hui, euh, beaucoup de Nigériens sont déçus par rapport à des dossiers de corruption et de détournement qui sont classés sans suite. Mm. Bon, entre-temps, c'est le pauvre citoyen, le citoyen lambda qui est meurtri dans sa chair, qui, du seul fait de désiderata de certains mm-hmm. qui se sont levés un beau jour en instaurant des pratiques ils ne font que subir. Moi, je me dis qu'il faudrait que, euh, je ne sais pas, il faut passer par des états généraux. C'est une refonte de. La corruption eh. atteint des proportions assez inquiétantes, madame, dont vous ne pouvez mhm. même pas imaginer. Et ces données, ou bien ces statistiques, mm Gary l'a si bien dit, elles doivent interpeller. Et en premier pas le fait qu'il n'y ait pas de l'impunité L'impunité, l'impunité est pour quelque chose parce qu'aujourd'hui, ils sont combien les, les get get, les MDN get, on en a connu mhm. combien et qui sont mhm. restés comme ça. Tant que l'on ne sévit pas, à un moment donné, les gens avaient nourri d'espoir euh, par rapport aux propos du président de la République lors de son investiture. Mais à l'épreuve des faits, euh, c'est comme si, ou bien c'est même pas, c'est comme si la montagne a accouché d'une souris. Donc mhm. moi, je me pense, c'est pour ça que je dis le mal, il faut l'attaquer à la racine. Il faut euh, le serpent, on le tue pas à travers la tête. Mhm. Si les, les, les, gros scandales là aujourd'hui ont été réglés, ceux qui sont impliqués ont, été, sanctionnés. Mhm. Eh, moi, je pense que ça allait être un signal fort la matérialisation de ce acte euh, dissiperait ou bien, euh, en tout cas, mhm. ceux qui s'adonnent à cette pratique réfléchiraient à deux avant d'agir, comme ils sont en train de le faire. Monsieur Hussein, l'impunité en est pour quelque chose quant à la progression de la corruption ici au Niger. Selon vous, pour vraiment lutter contre cette corruption, quels sont les secteurs sur lesquels on doit mettre l'accent Quel secteur tu, viens de dire l'impunité. Mais il faut combattre l'impunité. Mhm. cest à Ça dit qui que tu sois, si tu poses des actes répréhensibles vis-à-vis de la loi, il n'y a pas de raison à ce qu'on te fasse un traitement de faveur. Dans les pays occidentaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Qui que tu sois, ministre, quelque chose comme ça, tu touches un franc de l'État auquel tu n'as pas droit. Tu vas aller en prison ou tu rembourses. Mhm. Et ici, ça dépend du camp dans lequel tu te trouves. Alors, à partir de ce moment, ces mhm. institutions-là vont valoir quoi Ça fait quoi ça fait quoi On va, quand je vois Alcia, <laughs> on coupe de, brevets, on, embête les enfants. Que, voilà, mhm. on, va. Alors, alors, il faut s'attaquer au mal mhm, mhm. en s'attaquant à la racine. Mais on ne veut pas attaquer la racine. On va chercher des menus frétins, des choses comme ça pour dire on est en train de lutter. Non, non, on ne peut pas éradiquer ce phénomène-là. On a vu beaucoup de dossiers, les deux ont parlé de ces dossiers-là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup de dossiers qui doivent normalement, parce que c'est ça qui va alerter. Quand les gens vont considérer, ils vont voir des, des dignitaires des dignitaires qui sont trempés dans des affaires de corruption ou des commerçants, la clientèle politique du régime, on les a pris, on les a jetés en prison. Celui qui est en bas là, il va se dire, ah, je dois faire attention. Mhm. Mais quand tu vois en haut, on touche à personne. Toi, tu es en bas de l'échelle. Au bas de l'échelle. Surtout qu'on sait que plusieurs affaires restent toujours mais, mais sans, alors, Mais alors, plus le temps passe, plus on a tendance à oublier, plus le dossier est classé, et c'est fini. Mhm. Mais alors, on ne peut pas dresser, on peut pas redresser un pays de cette façon-là. Il faut créer les conditions pour que l'argent public là, que ce soit l'argent public, que c'est sacré, le bien public, c'est mentionné dans la Constitution, c'est sacré. Mhm. Mais quand on ferme les yeux par rapport à des affaires, des scandales, et de l'autre côté, quand c'est des petits, on est là, on veut sanctionner pour montrer. C'est pas, c'est pas, mhm. ça ne montre pas, ça règle pas le problème. Il faut, il faut, il faut véritablement aller en profondeur, mhm. montrer que nul n'est au-dessus de la loi. Voilà ce que la loi prévoit par rapport. Mais faire du discours, le bruit là, ça ne change absolument rien. Quand il s'agit de corruption, c'est le simple citoyen qui, est, qui subit les sanctions. Mais alors, et, j'aimerais même revenir sur notre rôle en tant que média. Vous savez, ce sont des médias qui ont révélé cette affaire du ministère de la Défense. Et brusquement, les médias qui ont révélé l'affaire, ils sont revenus pour dire que non, non, ceux-là qu'on avait cités là, <laughs> ils ne sont pas coupables. Mhm que voilà, voilà, c'est les fonctionnaires, blablabla. Bla, bla, bla. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous sommes fautifs de cette affaire, ah, nous Nafisa. nous n'avons pas de responsabilité. Et pourquoi Parce que, mais parce que nous sommes corrompus. Nous prenons de l'argent. Il faut le dire, nous prenons de l'argent pour travestir, non, pour défendre X. Tout le monde est pourri alors. Non, quand je dis, quand je dis nous, je parle de la corporation. fait, Je ne dis pas que tout, mais la pratique c'est quoi Tu as dit que tu as révélé une affaire, tu as dit qu'un tel a fait ça, un tel a fait ça, un tel a fait ça, et puis brusquement, tu viens te dédire. Pop, comme, comme, comme Baguette magique, tu mhm. reviens, tu, tout ce que tu as dit là, pop, tu renverses. tu dis non, non, non, X n'est pas coupable, X n'est pas coupable. C'est les fonctionnaires, c'est les agents du ministère de la Défense. Ça là, c'est trop facile. Et donc, pour que ce, travail-là, pour, pour faire en sorte que le Niger puisse remonter dans le classement, c'est un travail du gouvernement, mais c'est un travail de nous tous, mhm. citoyens, journalistes. Faisons correctement les choses. Voilà, mais comme, comme, comme, comme je, comme je, l'ai dit tout à l'heure, mhm. comme la corruption est devenue banale, et eh bien même au niveau de la presse, elle existe. Parce que qu'une personne qui est impliquée dans une affaire, n'est-ce pas Un journal en parle, le même journal, la personne contourne, elle donne de l'argent, mhm. Et puis, le même journal revient pour dire que, ah oui, oui, contrairement à ce que, voilà, voilà, selon les éléments que nous avons, blablabla, patati patata, mhm. conclusion, le monsieur là n'est pas dedans. Donc c'est un tel, un tel, c'est un agent du ministère de ceci. Comme l'a dit Hussein, le menu fréquent. Hein. Mm-hmm, mm-hmm. Mais non. Les secteurs, tous les secteurs donc sont touchés par du coup. La responsabilité doit Et être. Même fête de Gado, là, ça prouve la, que... la responsabilité, euh, elle est à partager. Tout le monde est coupable, comme dirait l'autre, et tout le mm-hmm. monde est interpellé. À chacun, dans sa sphère de responsabilité, d'essayer du mieux qu'il peut pour rester clean. Moi, j'ajouterais euh, euh, vraiment là où je veux beaucoup plus tabler, c'est-à-dire les gros guettes là, les gros scandales là. Il faut, il faut sévir là-bas. Il faut sévir là-bas, comme ça on saura que euh, vraiment le, le, temps est donné. Mais vous savez, on ne sévit pas et mieux, c'est ceux qui sont impliqués euh, du haut de leur piédestal, ils mhm. narguent le petit peuple. Mhm. Euh, comment voulez-vous que le phénomène euh, puisse prendre fin Mais l'espoir est permis. Il faut que chacun dans sa sphère de responsabilité mhm. s'assume et que vraiment qu'ils se disent que c'est pas bon pour le pays. Donc, du mieux qu'il peut, qu'il essaie d'être sur la droite ligne donc, euh, que pensez-vous vraiment tous ces classements euh, négatifs pour le pays Est-ce que vous pensez que ces, genres de classements peuvent amener l'État à prendre ses responsabilités le fait qu'à l'extérieur, on voit que le, image. effectivement. réalité, tout est lié. Tout est lié à ce qu'on est en train de vivre comme politique. La vertu. L'homme politique doit être vertueuse. Les gens ils, ils, engouffrent la politique par le truchement à la démocratie, mm-hmm. sans aucune compétence, sans rien du tout. La seule motivation, le seul mobile, je veux m'enrichir facilement de Facilement, oui. Je suis opérateur économique, j'ai un peu de ressources à investir dans une campagne. Il y a le retour de l'ascenseur. J'aide le parti. Mm-hmm. Je gère le parti. On ne va pas me refuser des marchés, même si je ne suis pas compétent pour pouvoir, comment vais-je dire, exécuter le marché correctement. Mm-hmm. Parce que tout simplement, j'appartiens. Il faut qu'on se départisse de ça. Mais je vois mal comment on peut arriver à s'en sortir tant qu'on est dans ce schéma-là, mhm. où les gens pensent que non, la démocratie, tous ceux qui crient là, la plupart des gens, c'est pas parce qu'ils y croient. C'est pas, c'est quoi C'est mhm. le meilleur système politique, en tout cas parmi tous les systèmes qui existent. Mhm. Mais malheureusement, dans notre pays, ça a été de voyer. C'est des gens, parce qu'ils ont un peu de ressources, ils s'engouffrent. On voit des gens sortir du dans des euh, conditions normales, des gens qui peuvent même pas, ils se retrouvent du jour au lendemain, on te dit, il est milliardaire. Alors, il a gagné l'argent où Il a hérité de qui Non, la, preuve même, Ousseini, hmm. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays comme le Niger, avec plus de combien de partis politiques je n'ai pas fait le décompte, mais plus de 150 partis politiques. Ça veut dire que c'est devenu. Ah, est-ce qu'on a, besoin de ça Est-ce que nous avons besoin de d'autant de partis La pléthore de partis. sérieux. Surtout que lors des campagnes, c'est des, des milliers de, millions qui sont dépensés. D'où sortent Il n'y a que des grands partis ah au Niger. Ah il n'y a que des grands partis. Les autres, bon, tu peux être candidat indépendant, des choses comme ça. Hmm. Mais c'est tous les jours, à chaque élection, des gens créent des nouveaux. on dit la on dit que c'est le droit de. la On dit que c'est la liberté, c'est la liberté de, de, démocratique. La démocratie. Donc il faut laisser Donc même s'il faut faire 300 partis politiques, il faut laisser faire. Ah non. À cette allure, la corruption gagnera toujours du terrain au Niger. Nous allons donc marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Dernier sujet de ce décryptage de l'actualité de la semaine, depuis le 1er février 2022, la baguette de pain s'aligne sur la liste des produits alimentaires qui connaissent une hausse de prix au Niger afin de soutenir les professionnels du domaine, le syndicat national des boulangers et pâtissiers du Niger a fixé le prix de la baguette de pain à 200 francs CFA au guichet et 225 francs CFA à la livraison. Pour en savoir plus, je vous propose d'écouter ce reportage de notre reporter Rabia Toumekano. 200 francs CFA au guichet, 225 francs CFA chez le détaillant, sur le nouveau prix de la baguette du pain depuis le 1er février 2022 au Niger. Une décision du syndicat patronal à des boulangers et pâtissiers qui fait suite à la hausse des prix des matières premières, notamment le blé. De nouvelles charges qui ont contraint certaines boulangeries à fermer, selon Madame Oumou Mamoudou, boulangère. La plateforme revendicative est sur le bureau du ministre. Ils ont dit tout ce qu'il y a comme problème. Les boulangeries sont en train de fermer. Donc euh, le syndicat a dit maintenant, revenons tous à 200. Soit le consommateur vient acheter le pain au guichet cash, le boulanger va chez le vendeur de la farine, il achète cash. Ou bien le shaman qui veut qu'il reste chez lui jusqu'au fond, là, on lui amène, il faut que le frais du carburant et des choses qu'ils supportent en attendant le secours de l'État. Les détaillants du pain dans les quartiers ont également du mal à faire face à cette nouvelle hausse. Ibrahim Abdou, dans son épicerie du quartier Yantala de Niamey, voit son chiffre d'affaires baisser. Donc, c'est déjà une À la boulangerie, c'est 200 francs. Si on ne le livre, elle nous revient à 225 francs. Nous aurons donc un petit bénéfice. Mais à la boulangerie, nous achèterons la baguette à 200 francs. Donc, s'ils vendent eux à 200 francs et nous à 250, nous n'aurons plus de clientèle. Chaque jour, je vendais environ 40 baguettes. Mais aujourd'hui, il me reste encore deux baguettes dans la vingtaine que j'ai pris. Tout en espérant un meilleur rapport qualité-prix, des consommateurs sont appelés à accepter ce nouveau prix qui, selon les boulangers, les mettrait à l'abri d'une faillite. À travers donc euh, ce reportage, il ressort que la hausse du prix de la baguette euh, est en lien avec la, la hausse du prix des des produits alimentaires consommés ici au Niger. Selon vous, Ousmane Sidi Koudoumbia, est-ce que la hausse des prix des matières premières est une raison pour augmenter le prix aussi de la baguette du pain Bon, vous savez, euh, moi franchement, euh, cette augmentation-là, euh, à la limite, pour moi, je, je, ne vois pas, ça n'a pas de sens. Mm. Parce que même si ça varie d'une boulangerie à une autre, de tout le temps, la baguette a été vendue, en tout cas dans la plupart des boulangeries, à 200 francs, dans certaines à 150. Oui. Donc, que l'association, bien les professionnels de ce secteur-là se lèvent et fixent le prix à 200 francs, chez le détaillant mhm. à 225. Certains 250. 250. Hein. Et là où le bas blesse, certains détaillants refusent même de vous vendre le car parce qu'ils disent qu'ils ne vont pas s'en sortir. Bref, que ce soit du, côté de l'association ou bien de, chez les détaillants, dans tout ça, c'est le, le, consommateur. Mm-hmm, mm-hmm. C'est le consommateur qui en fait le prix. C'est le, consommateur qui le ressent mm-hmm. durablement, cet impact-là dont vous parlez. Donc moi, je pense que vraiment, ils ont intérêt, il ne faut pas qu'ils arguent comme quoi c'est la cherté des prix. De... Non, non, il ne faut pas qu'ils se cachent derrière, euh, derrière euh, cette... Euh, cherté là pour fixer, je pense, unilatéralement et mieux, moi, j'ai comme l'impression, ça a passé comme lettre à la porte. Mhm. Les gens sont là, ils ne bronchent pas. Bien que je vois beaucoup interpeller les associations ou organisations des consommateurs, mais nous sommes avant tout dans un pays, le Niger, qui plus est en Afrique, est-ce que euh, il est aussi indispensable que eux, les détails, tout comme les, les, les, les, responsables des syndicats le, pensent Moi, je pense qu'ils ont intérêt à revoir leur prix. Ils doivent dénoncer. doivent, chacun doit dénoncer. On n'a pas à attendre des, des, des, des organisations de, consommateurs Aujourd'hui, est-ce que le le pain est aussi indispensable Retournons, comme dirait l'autre, à nos disques à nous mhm. les, galettes et les, beignets, même si par ailleurs, de leur côté, ils ont, ils ont diminué en, en, quantité. Hein. Donc moi, je pense que euh, vraiment, les gens peuvent hein, décider, pourquoi pas un boycott de la consommation. On verra à ce moment s'ils vont maintenir le prix. Les citoyens doivent dénoncer ce rehaussement du prix. Êtes-vous d'avis, Ousseini Ça va changer quoi <laughs> hmm? Que le prix revienne à son... Oui, les citoyens. D'abord, le gouvernement. Oui. Qui n'a rien dit le gouvernement, le ministère du Commerce est là. Le pain, quand même, c'est une denrée, quand même, un aliment que les gens consomment, dans ce pays. Même si ce n'est pas comme dans les pays maghrébins mm-hmm, mm-hmm. où le pain le pain, le et, les gens consomment de plus en plus de pain. Les gens consomment régulièrement le pain. Je ne peux pas comprendre que le ministère soit là. Que des gens se lèvent un bon matin, ils décident que les prix vont changer. Et on jusqu'ici, le ministère n'a pas dit mot il y a des associations de consommateurs, il n'y a aucun qui est sorti. Qui n'existe que de nom. Tu mhm. n'existes souvent que de nom. Je ne sais mhm. pas, parce que, bon, j'ai dit quelque part, les gens ont beau dénoncer dans les médias et tout, ça va changer quoi Ce n'est pas que le pain, même le piment vert, mhm. Les condiments, là, il y a beaucoup de condiments qui ont changé. Les gens sont là, on observe, on accepte que c'est comme ça. Quiconque s'élève, c'est à la limite la pagaille. La pagaille, chacun fait ce qu'il a envie de faire. On met les prix. Les gens se rêvent, une corporation, ils décident de changer les prix. Ils changent les prix parce qu'il n'y a personne pour leur dire non, vous n'avez pas le droit. Maintenant, l'association de défense des droits des consommateurs, la population compte sur eux. Mais, la population, là, la population, la population a besoin d'un guide, des guides. Il n'y a pas. Mais, s'il n'y a pas de guide, mais <laughs> moi je suis avec une pancarte pour dire je suis contre l'augmentation du pain. Ça, ça, va changer quoi On va même me prendre pour un fou et la police va venir me récupérer, m'attraper en plein. Parce que tout simplement, je... j'aurais été dans d'autres pays. Non, ça allait susciter des choses, n'est-ce pas Dans les pays maghrébins notamment, si on ose toucher au, Soudan, mhm. rappelez-vous, au Soudan, c'est parce qu'il y a eu une augmentation sur le prix du pain que le président là est tombé, n'est-ce pas c'est inadmissible donc qu'on se lève un beau jour pour augmenter. C'est vrai, Nefis, on peut, on peut dire que c'est ce n'est pas correct. Mais vous savez, le marché du commerce là, oui. Ah, j'achète, je vends. Mhm. Alors, si je vends à 50 francs, ce que j'achetais à 25 francs, là où je l'achète, je l'achète à 100 francs, je ne vais pas le vendre au, même prix. Il faut c'est pas possible. Avoir un bénéfice. Le problème, c'est que chacun doit jouer son rôle. Euh, les associations de consommateurs, ça n'existe pas au Niger. C'est faux. Parce que si ça existait, à chaque approche de la, du mois béni de Ramadan, tu ne les entends jamais parler. Mm, mm, mm. Mais quand il s'agit de parler de la politique, là, là, tu vas les voir. Et pourtant, ce sont les mêmes. Donc, il n'y a pas d'association de consommateurs. Maintenant, moi, j'ai fait des recherches. En fait, c'est une situation mondiale. Effectivement. Le prix de la farine, oui, c'est pas qu'au Niger. Et c'est une situation mondiale parce que, par exemple, il y a le blé tendre, il y a le blé dur. Le blé tendre, en janvier 2020, la tonne était à 240 dollars. En 2021, elle était à 270 dollars. Aujourd'hui, janvier 2022, elle est à 350 dollars la tonne. Ça augmente. Mhm. Moi, je suis étonné même que les prix du pain n'aient pas augmenté, malgré le fait que cette hausse-là était là. Mhm. Les boulangers ont tout fait pour maintenir ce prix-là. Mais là, c'est devenu insupportable. Une hausse de plus de 46%. Mhm, donc, ils ont leur raison de, de, de ils, ils ont leur raison. Mais et, on dit, comment on appelle ça là pour ça, c'est pour le blé tendre. Pour le blé dur, là, en six mois, et de 300 dollars en 2021, c'est devenu à 720 dollars la tonne. Oh. Vous vous rendez compte 720 mhm. dollars la tonne. Et le blé dur, là, mhm. c'est le Canada qui, qui produit 60% de la production mondiale. Et le Canada même est confronté à une baisse de la production. Mais selon vous, est-ce vraiment une raison est une raison vu les moi, je fais du commerce. revenus de la société Il faut. Non, c'est pas une affaire. Le commerce, là, c'est pas une affaire de pitié ou de truc. Non. Si j'achète le truc cher, je le répercute sur le prix de ce que je vends. C'est comme ça la loi du marché. Est-ce que vous comprenez, les filles, ça Maintenant, eh, est-ce que c'est trop Est-ce que ce n'est pas trop Je crois que le ministère du Commerce a mis en place un comité mhm. qui est en train de, de, de, actuellement, qui est en train de discuter avec lui, avec les syndicats de commerçants. Mais il faut comprendre le principe du marché. Hein. Mhm. Le principe du marché, quand la matière première augmente, alors le produit fini. C'est vous n'êtes pas d'avis. Non, euh, certes, moi, je ne veux pas me fier au, prix. non, ça dit, on est d'accord que tu, ne vas pas faire le commerce pour perdre, pour gagner. Mhm. D'accord. C'est là où je vois la démission pure et simple de l'État dans cette histoire-là. En tenant compte du cours mondial, l'État aurait dû appeler les secteurs ou bien les responsables, le ministère, créer le cadre. Voilà ce dont à quoi nous faisons face pour le moment. Avant Quelles même les avant, même l'application, quelles sont les voies et moyens à travers lesquels nous allons euh, convenir d'un prix pour que le consommateur ne puisse pas en payer mhm. le lourd tribut, puisqu'in fine, c'est lui qui en paie le lourd tribut. Mhm. Vous conviendrez avec moi. C'est là où je dis il y a la démission de l'État. Imaginez, euh, ayez souvenance du prix du, gaz. Il y a un arrêté qui fixe le prix du kilo à 3500. Aujourd'hui, allez-y dans les dépôts. C'est à 5000 francs. C'est là où je dis il y a une démission. Je ne peux pas comprendre qu'un arrêté fixe arrête les prix et que les vendeurs ou comment donc il faut il fallait il fallait créer le cadre. C'est vrai, on ne fait pas le commerce pour perdre, mais il mhm. fallait créer le cadre mhm. en réunissant tous les acteurs pour trouver les mécanismes à travers lesquels on peut, tout le monde peut tirer son épingle du mhm. jeu. Mais jusque-là, c'est motus bouche cousue. Que ce soit l'État, que ce soit euh, les organisations. Et entre-temps, c'est le pauvre consommateur qui en paie le prix, madame. Vous savez, oui, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, euh, dans, des situations comme ça, euh, les pays, qu'est-ce qu'ils font Je vous donne je prends un exemple très précis, l'exemple de l'Algérie. Mm. Euh, l'État subventionne la farine. Est-ce que vous comprenez mais, mais ça, c'est une décision souveraine de l'État pour permettre à ce que le, le consommateur ne puisse pas subir les contre-coups de cette hausse de, de, du prix de la farine sur le marché international. L'État subventionne. Et comme ça, on stabilise les prix. Mais l'Algérie l'a fait. Mais le président Cheboun récemment, il a pris un décret qui met fin à la subvention. Et donc, conséquence, si le gouvernement ne subventionne pas, le prix du pain va augmenter. Va a oublié de rappeler qu'à l'époque de Habib Bourguiba, les émeutes du pain en Tunisie <laughs> avaient fait des, des morts. Effectivement. Hussein se rappelle certainement les émeutes du pain à Burkina Donc, l'État, euh, euh, euh, il y a deux solutions. Soit l'État subventionne, ou bien l'État discute pour que, les, même s'il y a une augmentation, qu'elle soit un peu plus raisonnable. Mm-hmm. Parce que, comme je le dis, la loi du marché, la matière première augmente, le, le produit finit au truc il, il, il augmente, c'est clair et net. Hussein quelles sont vos propositions vraiment pour résoudre ce problème Pour un peu atténuer le coût. C'est-à-dire, parce que bon, la farine, quand c'est importé, il y a le dédouanement, il y a la douane et tout et tout. L'État peut faire des allégements pour permettre, voilà, c'est un, mécanisme, qui peut permettre mhm. effectivement que mhm. ça ne soit pas, le coût ne soit pas énorme. Heureusement, hein, on a fait ça. Heureusement que le pain, là, c'est dans les grandes villes, un peu dans les campagnes, dans les, un peu dans les centres, les agglomérations. C'était tout le monde. Le, ce n'est pas. C'est un aliment que les gens consomment aujourd'hui de plus en plus. Mais ce n'est pas comme la boule. Hmm. Hmm. C'est pas, comme hmm. pas comme la pâte. Euh, c'est ça. Heureusement, bon, maintenant, il y en a qui ne mangent pas régulièrement le pain, il y en a qui consomment régulièrement. Bon, c'est un choix. C'est un choix alimentaire. Hum, hum, hum, Maintenant, si il faut créer les conditions pour que les gens puissent, euh, ne puissent pas. Parce que Dieu seul sait ce qui va se passer par la suite avec d'autres aliments encore. N'est-ce pas Parce que quand tu as flambé, quand tu as des choses comme ça où les commerçants fixent eux-mêmes les prix, parce que tout simplement ils estiment que ils ne vont pas s'en sortir en restant dans la posture initiale mhm. si l'État ne contrôle rien. Ça devient inquiétant parce que c'est le pauvre consommateur qui, paye. Tout à l'heure, l'exemple du gaz est là. les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Quand on dit c'est 2000 la bouteille de 6 kilos, il y en a qui vendent ça à 2500. pour euh, euh, mhm. Rapidement, votre dernier mot, c'est Mon dernier mot, euh, c'est vraiment c'est à l'État l'État doit vraiment créer le cadre. Créer le cadre, c'est quoi En réunissant tous les acteurs, les organisations, même si Gary pense qu'elles eh, n'existent que de nous, bien elles s'activent dans d'autres domaines, les boulangers, les consommateurs, vraiment créer le cadre, trouver eh, à travers des mécanismes savants pour que chacun puisse tirer son épingle du jeu. Sinon, je vous assure, sinon, euh, ça ne se limite pas seulement au pain. D'ailleurs, faites un, tour à travers le panier de la ménagère à quelques mois du, de, de, Ramadan. Hein. Effectivement. Hein? Et si tout, un beau matin, chacun se lève et fixe son prix. Monsieur qui est en train hein? d'arriver. Oui. Merci, merci. Donc, oui, Ce que je voulais dire, ce que j'ai oublié de, de, rappeler que dans les recherches que j'ai faites, il a été prouvé que le prix du fret même, pour le transport des trucs, le fret, c'est pour pouvoir transporter les trucs là pour ça a quintuplé en une année. Vivement et donc l'État doit faire quelque pour euh, au bonheur de nous mm. consommateurs. Et donc euh, c'est ici que prend fin ce débat. Nous étions donc avec euh, Monsieur Ousmane Sidikou Doumbia, journaliste indépendant. Merci d'être venu. Hussein Issa, journaliste indépendant également. Merci d'être venu. Et Gary Amadou du journal La Nation. Merci aussi. C'est ici donc que prend fin le forum de la presse de ce vendredi 4 février 2022. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h avec l'actu des jeunes en cinq langues suivi de tous à la FADA. Et à partir de 18h15, le forum Mahoussa qui parle des maladies tropicales négligées et celui en Zarma dimanche à 18h15 qui parlera de la vidange des fosses septiques et la transformation des bouts de vidange à Niamé. À la modération, c'était Nafis Adam Sirfo, à la technique Mustafa Ayuba, à la régie vidéo Issa Lawali. Au revoir.